C'est un immense et un réel plaisir que l'honneur me joie de vous remercier et de vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à ce panel de haut niveau consacré à l'autonomisation des jeunes, aux opportunités d'emploi, de financement et de partenariat. Chers jeunes, chers invités, le thème de ce panel de haut niveau revêt une importance capitale. En effet, l'autonomisation économique des jeunes fait aujourd'hui partie intégrante des préoccupations majeures des autorités nigériennes. Et c'est dans cette optique que le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a, dans son discours d'investiture, réaffirmé que la jeunesse sera au cœur de, de ses actions parce qu'elle constitue une force motrice capable de booster le développement économique du pays. Cette volonté d'autonomiser la jeunesse nigérienne a été aussi réaffirmée par le Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa déclaration de politique générale présentée devant l'Assemblée nationale. En effet, son Excellence M. Oumoudou Mohamedou a, au niveau de l'axe 3, portant sur le développement du capital humain, dit que le gouvernement, tout en promouvant des espaces de dialogue avec des jeunes, des jeunes intégrera et accompagnera 500 000 jeunes dans les circuits économiques. De même qu'il s'attellera, en ce qui concerne le, financement de l'entrepreneuriat, à résorber les difficultés liées à l'accès au crédit et au financement qui constituent, à n'en point douter, un véritable gros d'étanglement au rayonnement de l'entrepreneuriat de des jeunes au Niger. Mesdames et Messieurs, chers partenaires techniques et financiers, chers jeunes, L'occasion me paraît opportune de vous rassurer au cours de ce panel que le gouvernement rendra opérationnel toutes les institutions de microfinance adossées aux maisons de paysans, en même temps qu'il prendra toutes les dispositions en vue de faciliter la proximité des financements aux micro, aux micro petites et moyennes entreprises, aux micro, petites et moyennes industries, à travers le fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire nutritionnelle dans la même logique, pour mieux asseoir les bases d'une véritable autonomisation des jeunes nigériens par le biais de l'entrepreneuriat, le gouvernement mettra en œuvre la charte des PME et le Small Business Act, ce qui facilitera davantage le financement des projets des jeunes entrepreneurs à travers la mise en place des lignes de crédit, des fonds de garantie et des crédits bail. Mesdames et Messieurs, chers jeunes,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 vise à favoriser l'accès des jeunes des deux sexes à des opportunités de création d'entreprises et d'emplois indépendants, décents, durables et de qualité. À travers l'adoption de cette stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, d'un montant global de 34 milliards, la vision du gouvernement est de développer l'entrepreneuriat pour créer massivement de l'emploi aux jeunes afin de faire du Niger un pays émergent bâti sur une économie résiliente et moderne. Ainsi, l'objectif que lui est assigné est de contribuer à la croissance économique inclusive à travers la création des micro, petites et moyennes entreprises, des micro, petites et moyennes industries, des jeunes innovantes et compétitives. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, chers jeunes, la thématique de ce panel de haut niveau cadre parfaitement avec les trois axes de la stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, à savoir l'axe 1, renforcement du dispositif institutionnel et réglementaire en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. L'axe 2, renforcement des compétences et capacités des jeunes en entrepreneuriat. L'axe 3, amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité au financement des jeunes. Mesdames et Messieurs, chers partenaires techniques et financiers, pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie, le ministère du Commerce, l'Industrie et l'Emploi des Jeunes s'active à organiser une table ronde des bailleurs de fonds avec le programme des Nations Unies pour le développement, dont la présidence a d'être le, chef de file. Je voudrais profiter de ce panel du haut niveau pour demander à l'ensemble des participants de réfléchir profondément sur d'autres sources de financement alternatifs qui contribueront sans nul doute à l'opérationnalisation de la stratégie nationale de promotion de l'entraînement des jeunes qui suscite tant d'espoir chez les jeunes nigériens.